sa borom nga xam ne moo teg loxoom ci sa élection bi le ndaw yi yaakaar ci yow jigéen yi yaakaar ci yow ñi nekk ci région Sénégal yi ñi nekk ci village yi nekk ci dëkk bi nekk ci administration sax yaakaar ci yow ma ne ko moytul les démons de la division maanaam seytaane yooyu nga xamante ne tàggale rek tàggale féewale lañ fi nekkee parce que lu bëre soo nekkee président rek yalla may le cieur bobu da ngay commencer am ño xamantene dañ lay indil yeneen i façon jikko motax président bi agsi ki di grand chancelier moo kay xaarandi nii ngir takkal ko mhm. li nga xamantene ne woné ni mom tay jilé seul costume président de la République du Sénégal Mogok. je voudrais respectueusement inviter le général de corps d'armée grand chancelier de l'ordre national du Lyon, à venir remettre à monsieur le président de la République le collier du grand maître de l'ordre national du Lyon. voilà le général grand chancelier de l'ordre national du Lyon,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 benen mbir la aussi am na si collier bi am na gaynde am na am Sénégal j'ai maintenant l'honneur de prier très respectueusement son excellence monsieur Bassirou Diomaye Djahar Faye président de la République du Sénégal de prendre la parole pour son discours d'investiture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 président de la République du Ghana, Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, Excellence Dr Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone, Excellence Umaru Sissoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau,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 chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Bassirou Djamai s'est engagé à faire

de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy dalal ay Sénégal ñoom ñooy Ben Ken Ken kenn voilà président Mauritanie le président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani moom mooy euh, njëkk nuyu ki nga président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais il ngi aussi njiitu réew Mauritanie mi ngi fàttali aussi ni mu nammee liggéey mhm. pour que Afrique nekk continent mhm. une Afrique de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam gën président Ghana Nana Akufo-Addo moom mooy euh, nuyu le plus jeune président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga nag ree bi ak xool bi mhm. da ngay xam ni moom comme on dit en français il est droit dans ses bottes mhm. ku dëggu la maanaam dal bi seetlu nañ ko si moom tey bi seetlu nañ ko si moom dal na tey na yar bi seetlu nañ ko si moom mën nañu jàpp ni royukaay la si du Sénégal Madame, tey vous mooy représenté ndaw yi nga xamante ñi ngi après les indépendances et après et après Madame, 1985, bi Senghor di joxe pouvoir bi si lay 44 ans après mu ñëw nekk président de la République du Sénégal ba pare dool si nekk séeréer

c'est le cadet hein, des présidents élus dans ce continent africain et il vient du Sénégal et c'est tout à l'honneur de notre pays parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure au-delà de son élection c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur de ce scrutin du 24 mars 2024 la jot nañ ci waxtaan ak ñaari nit. Mhm. bon comme on dit Sénégal foo mënti nekk war ko ko mën a liggéeyal muy. Mhm. ku nekk euh, Madaxun wala si diaspora bi fële ca Tokyo ñu lay nuyu Sénégalais yi nekk foofu. États-Unis États-Unis euh, Canada Italie France ñoom ñëpp macha allah. voilà Amérique xam nga Sénégal ak drapeau président Guinée-Bissau euh, président Guinée Mamadou Doumbouya nee naa la mooy invité surprise bi Ibrahima waaw.

président Cap-Vert. Le président Neves qui vient également saluer le président de la République du Sénégal. En direct sur la RT, ces images... sont... Euh, Son de la du Ces images de l'investiture du président Bassirou Djoma Djahar le président du Nigeria, le président Tinubu. Vous il est devenu observateur je pense. oui euh, président président mm-hmm. des des observateurs africains. son excellence monsieur vice président du Côte d'Ivoire en Noir mon ancien gouverneur de BCAO, Dakar fii n'existe ci mais président Alassane Ouattara dans le def vice président yebal Kofi, fii représenté aussi investiture euh, président de la République du Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal voilà la même famille hein, mm-hmm. qui se retrouve euh, et c'est pour cela qu'on les a laissés euh, gagner la Coupe d'Afrique tranquillement. Président du Conseil national de Mali. Le président de l'Assemblée nationale voilà, du Mali, Diao, qui vient saluer également le président Bassirou fait. Quand il parle de souveraineté, dans l'ordre normal des choses dans cette Afrique. Parce que de plus en plus, on sent que les peuples africains ont besoin de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge avec des leaders à la hauteur de leur mission et des, attentes. Président de l'Assemblée Mali, mhm. parce que le y un message lancé Burkina Faso. pour y Afrique un puissance puissance euh, étrangère yeneen de qui mënul et loolu Bassirou Diomaye président de la République euh, fàttali na Sank, sànq ci discours am ni mënul mënul ak Yenen i réew ci Afrique ak ci continent premier ministre de la République du Rwanda Ibrahima am na yoo xam ne ci formé sénégalais yi dinañu mën a demal seen

mais pare di dundal xam-xam. comme kilifa yi yu mag yi nuñ koy waxee kilifa diine yi. Mhm. na xam-xam da fay am njariñ. te lolu donc dans dans son discours tout à l'heure mu président conseil constitutionnel fàttali na ko jeunes espoir bi ñu am si mom mom aussi néna na def na def katanam pour mëna a. Euh, moom ka jox nak conseil am solo ka jox nak conseil yu am solo. parce que li ñuy wax ci xam-xam man ay tubaab bi nit moo amatul.

Monsieur kam xam-xam kawe mais du xam-xam boo xam ne ñoo xam-xam bu nit nit moo ko moom ministre des affaires étrangères kon président commission union africaine mondiale, jàll et puis lii mooy wane président de la république du Sénégal 44 ans mm-hmm. jàng il a connu des échecs parce que commissaire de police la bëggoon nekk mm-hmm. Monsieur Omar Aliou Touré jàng def yeneen concours dem ENA mais e inspecteur des impôts et domaines kon xam nga yooyu yëpp day wane ni dara jombul doomu aadama. wala surtout sénégalais. sénégalais Ibrahima lu mu bëgg doon mën koo nekk. l'essentiel rek mooy nañu ko nañ nii nii nii. le président de la commission de la CEDEAO. xam nga xale yi fi mu nekk ni ñu takk ne euh, filière technique yi maanaam ñu ngi jël affaire technologie surtout étudiants yi mën nañu defar seen avion l'essentiel nañ leen jox moyen bi. mais ordinateur mooy wane ni xam-xam kenn moomu ko. Ah, parce que lu japonais bi di def wala sénégalais italien bi wala américain bi def suñu doom yi dañ koy def léegi. Abdoulaye le président de la commission de moi c'est notre compatriote mhm. voilà, qui dirige euh, cette instance euh, sous-régionale, une institution qui travaille pour l'intégration économique euh, et monétaire dans la sous-région ouest africaine, Abdoulaye job donc, qui salue le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. monsieur le président de l'Assemblée nationale dara suñu mën lay dem ci yenn mbir yi ñu dékk ko ñeneen ñooñu nekk ay góor c'est le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop Ibrahima mu ñëw félicité voilà mooy ñëw nuyu président de la République ay institution yoo xam ne faw ñu liggéey faw au sénégal waaw faw ñu mm-hmm. liggéey mm-hmm. c'est le pouvoir législatif et le mm-hmm. pouvoir exécutif voilà mu ngoog juge yi ñoo ko installé mais après ñoom dañuy dem au Conseil des collectivités territoriales. Vraiment, Aminata Mbengue Ndiaye au Conseil des collectivités territoriales. Voilà la troisième institution mhm. du Sénégal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 Eh, et Abdoulaye Daouda Diallo président du conseil économique social et environnemental ils se connaissent parce que nous <laughs> inspecteurs des impôts Nous <laughs> euh, voilà Sénégal des mm-hmm. impôts Domaine domaines politique de plus en plus voilà Mesdames, honorables invités c'est des gens qui se connaissent. C'est comme euh, Jamaï, Amadouba, Ousmane Sonko, le général également des impôts et domaines, qui est directeur général de la Banque agricole actuellement. C'est des gens qui se connaissent, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont travaillé à la direction des impôts et domaines pendant des années et qui ont contribué à essayer cette institution euh, au plus haut sommet des régies financières

waa garde présidentielle ñoo koy gérer. protocole am garde présidentielle ñoo koy gérer. waaw ma ba waaw ñoom daal dañoo xaw Euh, sa pour pompier waa euh, douane wax dëgg yàlla seen euh, taxawaay ci réew mi am na solo lool te ñoo ngi nag doxalee seen wàll ci waar bi comme nuñ ko waree doxalee ak nag xarañte gu mat sëkk ànd ak dal nekk nag ay républicain yu mag a mag a mag a mag xam seen réew xam seen waa réew xam seen liggéey te di ko doxale ci anam ñu mu gën a rafete ñooñ nag ñoom tout temps saay bu ñu nekk ndax duñ leen gërëm ndax seen liggéey la ñuy def waaye dañ di ñaanal yàlla gën yàggal sen taxaway muy kilifa ye kilifa yi nga xam ñoo nekk ci armée bi kilifa yi nga xam ñoo nekk ci gendarmerie kilifa yu police bi ak wa sapeur pompier. kon nak séance bi comme dañu ko levé won dañ doon xaar rek euh, ñi nga xam ñooy gan yi euh, ak it njiitu institution yi daal di ndokkeel son excellence le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye léegi nag ay soxnaam it ndokkeel nañu ko bi lolu wéy nak ñu yewi ñi nga xamantene rek ak ñooy gan yi en attendant euh, mi ngi ci euh, sal salon d'honneur bi nga xamante ne rek euh, foofu la ñu ko jagaleel mi ngi foofu toog ak yenn gan yi di waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom. après nak ñu xol euh, suite bi euh, Ibrahima euh, ñu xol lan mo dess ci li nga xam ne cérémonie mais je pense que soldats si dañ ko wara dello ñukal la fa cérémonie bi di ba voilà gis nga ñoo ngi ni moy musique principale des forces armées on nañu ko dello ñukal la laata nak muy dem fële ci palais de la république fek fa président de la république Macky Sall voilà, moi euh, Lyndon Lyndon euh, et on voit euh, justement les autorités de la République qui viennent justement participer à cette à cette cérémonie officielle. Vous avez la musique principale des forces armées, vous avez le détachement également. Un détachement, je pense, du bataillon des paras. Ils sont, ils sont là prêts à rendre les honneurs au président de la République du Sénégal, euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et euh, avec tous les invités qui sont venus aujourd'hui, nous avons sept chefs d'État et des chefs de gouvernement, une quinzaine de personnalités qui sont venues assister à cette cérémonie d'investiture. Mounek Lougat, euh, sobre Madame et puis quoi euh, wa ay am solo le président conseil constitutionnel yëkkati qui est le président de la république des Bassirou Diomaye